vous avez vu situation il paraît que ça ça doit être fermé d'un moment à l'autre et que le cadastre ne peut même pas recevoir à Dakar. Nous allons rapidement aménager ce stade. On va le faire gratuitement sur deux ans ou trois ans. Mais je disais l'autre jour que sous pareil, sera la seule commune qui aura deux stades au nom international. on va le faire rapidement parce que c'est un stade multifonction Il y a un terrain basket un terrain handball volleyball un terrain football cette année nous voulons poser au moins la police synthétique et mettre des projecteurs pour que ça commence à être opérationnel parce que xam y ni un et l'année prochaine c'est président ont on termine les tribunes et on aménage rapidement les deux autres d'espace muy basket bi ak handball bi